L'actualité de la semaine, c'est tout d'abord la rentrée scolaire 2017-2018 des élèves du primaire et ceux des collèges. Elle a eu lieu le lundi 2 octobre dernier. Cette rentrée est intervenue dans un contexte où les enseignants de la troisième catégorie, ceux qui ont eu des notes variant entre 3 et 4 sur 20, suivent des séances de renforcement de capacité. Une formation qui fait suite à l'évaluation des enseignants contractuels créés à main organisée par le ministère de l'enseignement primaire les 15 et 16 juillet dernier. Éducation toujours, les étudiants des instituts et écoles professionnelles ont voulu organiser un sitting le mercredi 4 octobre passé au ministère des Enseignements supérieurs. Cependant, ils se sont heurtés aux forces de l'ordre qui les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Les raisons de leur grogne avec le secrétaire chargé à la presse de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques du Nigeria et Souji le paiement de la troisième brousse qui tarde jusqu'à présent. Et notre deuxième point concerne le paiement des frais de formation des camarades qui sont dans les instituts. Sur le plan diplomatique, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a effectué une visite de travail au Niger le 2 et 3 octobre 2017. Son déplacement a été centré sur les enjeux de la diplomatie économique, entre autres sujets d'échange, la maîtrise de la démographie, le flux migratoire et la sécurité. Il a visité la mission européenne et Cap Sahel Niger qui participe au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité nigériennes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Jean-Yves Lédrien se rendit ensuite à l'école primaire bilingue Madina 3, dont le programme pilote est soutenu par l'Agence française de développement, pour souligner l'importance attachée par la France à l'enjeu de la francophonie, à l'éducation et la jeunesse. Je vous propose d'écouter un extrait de Jean Yves Lédrien. J'ai pu appréhender euh, des questions que je n'avais pas euh, jusqu'à présent appréhendées dans la relation entre le Niger et, la France, ne serait-ce que euh, d'avoir été ce matin dans une école, Madina 3. Tous les ans viennent en plus pour s'instruire et tout l'enjeu que représente ce défi. Autre sujet phare de la semaine sur le forum des premières dames des pays de l'espace CDAO tenu à Niamey le 5 octobre dernier. Une rencontre centrée sur l'éradication de la fistule obstétricale, les mutilations génitales féminines et la protection des enfants à travers un cadre stratégique de la CDAO pour renforcer le système de protection des enfants. Enfin, sur le plan sécuritaire, le Niger a été une fois de plus victime d'actes abjects. En effet, une embuscade tendue au bataillon de sécurité et de renseignement nigérien a coûté la vie officiellement à quatre soldats nigériens et quatre américains. L'un du nombre huit blessés côté nigérien et deux côté américain. Les assaillants sont venus du Mali. L'enterrement des soldats nigériens a eu lieu hier en présence des autorités civiles et militaire.